bapu gaale kaay yow. kan man. waaye yow kay. xool mu naan kan man ak boobu guddo bi di mel ni carotte. cëp cëp cëp cëp cëp. eh kuti kuti mbow mbow. Amadou teel xat bi teel xat bi ba pare teel xat bi tan man wawuma la de gisuma la sax dafa mel dama dee dégg ku ma wax bopp gaal du man de waxuma dara xawma xawma avion sama yon nekku ci jam la paix peace and love waa kon baax na ngi dee dem école waa kay na la ci peace and love <laughs> sulxumam man koy woo muy sunne rek xarama vocal ko laaj sulxu wona la jotuma la moo tax tak lay vokal. ana nu mi wax ko fu nami, añee mon ami si jàmm Silence. Bon, aujourd'hui je vais vous poser des questions sur tout ce qu'on a appris depuis le début de l'année scolaire. Voilà. Par contre, elle vous faussez deux questions. Taïfinga yendo, ah, do ani. Ok, on commence. Qui peut me dire en quelle année le Sénégal a eu son indépendance Monsieur, monsieur, moi. Oui, toi, Awa Le Sénégal a eu son indépendance le 4 avril 1960. Bravo, c'est exact. Applaudissez-la. On passe à la question suivante. Classe, comment appelle-t-on la femelle dit lion Monsieur, monsieur, moi. <laughs> non, non, non, non. <laughs> Toi, Amadou. Mais, je sais que tu n'as pas levé la main, mais mal choisir le bop. Alors réponds. toi Je m'en fous du soupe est de ta mère. Réponds à ma question. Comment appelle-t-on la femelle du lion Faussé nga une question soo faussé waatee une tey classe comment appelle-t-on la femelle du lion. toi salut. où Lion. c'est exact. applaudissez-le. ok on passe à la troisième question. le Sénégal a eu son indépendance en quelle année. Toi, Amadou. Je sais pas. Tu sais pas. Donc pourquoi t'as levé la main Je vais aller aux toilettes. Ah bon, tu te fous de moi Classe, j'ai jëleen ce sacs mieux ñëpp ngeen dem Vous rentrez à la maison ba mu des Amadou mon filet lay yéen de Moussa ngir yàlla maa